11h à Niamey et partout au Niger. Chers auditrices et auditeurs des programmes du studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans notre émission Le Niger sur Kalangou. Nous sommes jeudi 14 mars 2024. Au micro, c'est Ali Moukela alias Seno et Salamatou Kadri. La technique d'aujourd'hui est assurée par Amina Hassan. Et à l'édition, nous avons la grande dame Rahilatu Soumana. Bonjour Salamatou. Bonjour Seno, alors qu'avons-nous au menu ce matin dans le Niger euh, sur Kalangou d'aujourd'hui, Salamatou, il y a le flash d'information du loti avec les femmes du studio Kalangou et du sport. Et comme nous sommes jeudi, nous allons nous parlerons d'éducation numérique dans la rubrique hebdomadaire, sans oublier l'écho des régions qui nous conduira aujourd'hui dans le manga. Dans nos nouvelles rubriques spéciales Ramadan, il y aura les conseils du prédicateur et du nutritionniste. Nous vous proposons également des recettes culinaires et autres astuces pour notre bien-être. L'entretien du jour sera avec euh, M. Ousmane Issoufou Ousmane, informateur au Centre de formation technique et professionnelle de Filengui. Il est également le responsable de la plateforme d'orientation des jeunes. Chers auditeurs, euh, prêts pour le décollage, euh, c'est parti. Bonjour chers auditeurs, sans plus tarder, voici le flash d'information présenté par Rukayatou Abdraman. Bonjour Ruki. Bonjour Salamatu, bonjour Senou. Bonjour Rukaya. Alors entamons le flash d'information d'aujourd'hui avec la réouverture des frontières terrestres et aériennes du Nigeria avec le Niger. C'est dans un communiqué de la présidence fédérale en date du mercredi 13 mars 2024. Selon les autorités nigériennes, cette décision fait suite à celle des chefs d'État de la CDAO à de leur sommet du 24 février dernier. Par la même occasion, Abuja a décidé de lever toutes les sanctions économiques, financières et commerciales imposées au pays au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023, notamment la suspension de la fourniture d'électricité au Niger. Ensuite, à Maradi, les départements d'Agué, Gazawa, Mayaï et Tessawa sont sans électricité depuis une semaine, rapporte le journal en ligne Le Souffre de Maladie. Chaque euh, chaque jour, plusieurs personnes quittent ces localités à moto ou en véhicule pour euh, venir à Maradi s'approvisionner en glace. Pour l'instant, la Nigérienne d'électricité n'a pas encore communiqué autour de cette privation qui dure et perdure, conclut le journal. Enfin, la réunion de présentation du processus d'élaboration du schéma d'aménagement foncier de la région d'Agadez et son rapport d'exécution a été présidée par le gouverneur de la région, le général de brigade Ibra Boulama Issa. C'était le mardi 12 mars 2024, cette rencontre a consisté à faire l'état des lieux du processus de finalisation du schéma et le diagnostic des enjeux et défis qui bloquent le processus. C'est tout pour le flash d'aujourd'hui. Merci Rukaya pour toutes ces informations, chers auditeurs. Comme annoncé dans la partie entretien du jour, Monsieur Ousmane Issoufou Ousmane est interrogé par notre collègue Assoumana Aboubakar sur la plateforme d'orientation des jeunes de Filengi. oui, Salamatou, dans cette première partie, il nous explique à quoi sert cette plateforme et ses différentes activités. On l'écoute. La plateforme d'orientation des jeunes, c'est un service d'information, d'accompagnement et d'insertion professionnelle des jeunes. C'est un service euh, qui est sous la coupe de la mairie et qui est destiné aux jeunes. Donc nous accueillons des jeunes auxquels nous donnons des informations sur les opportunités économiques et d'insertion professionnelle ici à Filingue. Nous nous entretenons avec les jeunes on essaye de déceler leur centres d'intérêt pour pouvoir, en fonction de ce que nous ont dit, les orienter vers une activité professionnelle précise. Et aussi, nous sommes en collaboration avec d'autres ONG, comme Six Contact qui nous appuie. Il y a aussi Merci Corps. Donc, dans le cadre d'un programme que nous sommes ensemble, on fait des formations à des jeunes. Et dans le cadre de ces formations-là, nous sommes un relais d'information. Ça veut dire que nous informons les jeunes euh, des différentes formations qui sont en cours ou bien qui sont en vie et aussi, nous recensons les jeunes et nous leur faisons des découvertes des métiers. Dans le cadre aussi de nos activités, nous faisons un peu de l'intermédiation. Ça veut dire quoi Si un jeune a un problème sur un domaine précis ou bien sur une activité professionnelle qu'il veut exercer avec ses parents, on essaie d'intervenir pour pouvoir vraiment euh, faire l'intermédiation et permettre à ces jeunes-là d'exercer l'activité professionnelle qu'il veut. C'est un peu, en fait, euh, les quelques activités que nous faisons. Et qu'en est-il de la prise en compte du genre et spécifiquement comment se fait l'inscription L'inscription, elle se fait gratuitement. C'est un service gratuit. Tout ce qu'on fait au niveau de la plateforme, ça se fait de manière euh, gratuite. cest à dire que euh, tout jeune s'il vient, qu'il soit scolarisé, non scolarisé ou déscolarisé, nous, nous l'accueillons à bras ouverts. Euh, que ce soit une femme, donc nous, à notre niveau, on ne fait pas cette distinction. On accueille tout le monde. Tant que tu es jeune de la commune, hein, je précise, tant que tu es jeune de la commune, donc tu es accueilli à bras ouverts au niveau de la plateforme. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes concrètement en train de faire Aujourd'hui, nous sommes en train de former des jeunes filles en cosmétique. Donc cette formation là, elle entre dans le cadre du programme Sa'amatasa, qu'on appelle Youth Connect. Donc euh, ici, elles sont en train de suivre une formation. Il y a 25 jeunes filles qu'on est en train de former en cosmétique. On a eu à faire d'autres formations ailleurs. Donc ici, c'est le tour de la commune de Fudengue. Donc euh, on est en train de les former pour qu'elles puissent au moins, après la formation, parce que c'est une formation courte durée, et qu'après cette formation-là, si elles sortent, c'est que sûr, elles seront aptes à avoir une activité génératrice de revenus et elles auront une autonomie financière. Et c'est le but de rechercher à travers ces programmes-là qu'on fait. Est-ce qu'il y a des partenaires en vue ou bien ils seront appuyés après Dans le cadre du programme, il y a toujours un appui qui vient. Parce que, par exemple, maintenant, on est en train de faire des produits. Ces produits-là, elles vont les revendre. La recette de cette formation-là leur sera remise comme un fonds de démarrage et la matière d'œuvre et le matériel qui est amené pour cette formation-là sera retourné aux jeunes filles pour pouvoir démarrer leur activité. Et après aussi, il y a Merci Corps qui va venir avec son appui, comme on a eu à faire à d'autres jeunes filles, pour qu'elles puissent aussi les accompagner et les appuyer pour qu'elles puissent pérenniser leur activité. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut citer des exemples de réussite au niveau de la commune Des exemples de réussite, il y en a. Euh, surtout dans les villages, même ici dans la commune de Filingue, il y a des jeunes filles qu'on a eu à former en cosmétique Vraiment, elles font des activités. À chaque fois, nous, on fait des activités de suivi. Et quand on part pour le suivi, là, vraiment, elles, nous félicitent. elles félicitent d'une manière générale le programme. Et en particulier la commune et la mairie, parce que c'est elle qui a amené les activités. Vraiment, il y a des exemples de réussite. Que ce soit ici à Filinguéville ou bien dans les villages, parce que même les villages, on intervient. Il y a 10 zones dans lesquelles on intervient. même dans les villages, surtout en transformation, vraiment, les jeunes sont un peu, si je peux me, dire, me permettre le terme, financièrement autonomes. Chers auditeurs, avant de continuer, marquons une pause pour le conseil ramadan. Oui, euh, Salamatou, le prédicateur, nous parle de la première décade comme, euh, son nom l'indique, euh, la première décade constitue les dix premiers jours de jeûne du mois de Ramadan. Il est recommandé durant cette période de multiplier les actes de bienfaisance pour bénéficier euh, des récompenses. Également, le prédicateur Oustaz Haladou Yahya explique les actes qui annulent et qui sont tolérés pendant le jeûne. On l'écoute, il est joint au téléphone par Hawa Ousmane. La première décade, est une décade d'exercice le fidèle doit s'atteler à l'organisation de son mois. C'est pourquoi il faut s'organiser pour faire un calendrier d'accomplissement des bonnes œuvres, de lecture du Saint-Coran, de la participation à la prière de Traoui, au Gamalel, à la lecture du Saint-Coran, mais surtout, et s'organiser au maximum à se faire un frein pour éviter de parler du tout et de n'importe quoi. L'autre aspect, il faut s'organiser en fonction de ses possibilités à venir en aide aux faibles et aux nécessités à partager avec le prophète Mohammed seulement a dit il faut se protéger contre l'effet de l'enfer, ne serait-ce qu'avec une moitié de date. Pour profiter, il faut nécessairement organiser ce scrupuleusement les règles relatives l'observation du jeûne du mois béni de Ramadan, du lever au coucher soleil. Le jeûne euh, du mois béni de Ramadan peut être euh, invalide pour plusieurs raisons. D'abord, l'apostasie. C'est parmi les conditions des obligations du jeûne. Pour jeûner, il faut être musulman. Manger et boire aussi volontairement, ça annule le jeûne. Il y a également les injections intraveineuses euh, nourrissante, il y a l'évolution volontaire pour les femmes, les menstrues ou les leuchis. Si ça intervient, quelle que soit la petitesse euh, du temps, avant la rupture du jeûne, ça annule le jeûne. Il y a aussi euh, l'éjaculation volontaire ou le rapport sexuel ou encore le coït. C'est quelque chose qui annule le jeûne. De la même façon qu'il a des actes qui annulent les jeunes, il y a quand même euh, des actes euh, qui sont tolérés, excusables pour un jeune. Parmi ces actes, il y a le fait de manger ou boire par mégarde. Il y a le fait d'avaler la salive, même si elle est abondante, mais sauf si on le fait comme l'objectif euh, d'étancher sa soif en réunissant la salive pour s'alimenter. Là, c'est pas toléré. Celui qui vomit involontairement peut continuer son jeûne et aussi toléré. Se trouver le matin en état d'impurité majeure, c'est-à-dire la janaba, c'est un acte toléré. Lorsque quelqu'un en dormant arrive à se satisfaire naturellement, c'est-à-dire aimer du sperme, là aussi c'est un acte toléré. Parce que le prophète Mohammed a dit la responsabilité de l'enfant, du fou et de celui qui dort est dégagée. C'était là le conseil ramadan avec Oustaz Haladou Yahya au micro de Hawa Ousmane. Chers auditeurs, poursuivons avec la deuxième partie de notre entretien avec le responsable de la plateforme d'orientation des jeunes à Filengue, M. Ousmane Issoufou Ousmane. Oui, euh, tous. dans cette deuxième partie, il explique le processus, comment l'intéressé peut faire un choix et également les difficultés rencontrées. On l'écoute. Si un jeune vient, nous, on essaye de discuter avec les jeunes pour pouvoir déterminer son centre d'intérêt. En fonction de ce qu'il peut et de ce qu'il veut, on essaie de l'orienter vers une activité précise. Donc nous, on n'a pas d'influence sur les choix du jeune. Donc c'est les jeunes qui, en fonction de ce centre d'intérêt, essaient de faire les choix du métier qu'il a. Et on a dans, le cadre de nos outils de travail des supports des activités métiers. Ces supports-là nous permettent vraiment de montrer aux jeunes que dans le contexte des Flingue, quelles sont les activités économiques rentables maintenant, en fonction de ça et en fonction de ce qu'il veut laisser, il va essayer lui-même de faire son propre choix. Bien sûr, nous, nous sommes là en tant que nous appelle des conseillers. Donc on essaie de conseiller, de conseiller les gens si on voit qu'ils dérivent un peu pour l'amener à la raison et comprendre que telle activité est celle qui convient à ce contexte précis pour qu'il puisse faire son choix lui-même. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler des problèmes S'il y en a, bien sûr. Les problèmes qu'il y en a, c'est que les jeunes ne comprennent pas, ils nous prennent comme étant une ONG ou un projet. Alors que la plateforme, ce n'est ni une organisation non gouvernementale ni un projet. Nous sommes un service qui est sous la coupe de la mairie. Donc là, c'est le problème qu'on rencontre. Parce que tous les jeunes, s'ils viennent ici, ils pensent que dès qu'ils viennent automatiquement, c'est un projet, on va leur donner une activité. Donc ça, c'est le problème auquel on fait face. Et aussi, la plateforme ne peut pas marcher sans l'appui des partenaires. C'est vrai qu'on a des partenaires comme Merci sur Contact, mais c'est peu. On en a besoin d'autres. Parce que nous, on a une base de données de jeunes ici qui ont manifesté leur besoin d'être formés dans des domaines euh, divers. Mais les deux partenaires-là ne peuvent pas à eux seuls observer tous ces jeunes-là. Donc nous lançons un appel vraiment à d'autres partenaires de bien vouloir venir euh, au niveau de la plateforme euh, s'inquérir des besoins des jeunes de la commune sur des activités professionnelles précises pour que nous puissions les orienter, les jeunes. Et le troisième aussi, le problème qu'on rencontre, et parfois ici, les jeunes viennent chez nous parce qu'on est en partenariat, non pas avec les ONG, mais même les, les maîtres d'atelier, les chefs de garage. Parfois, si un jeune vient chez nous et qu'on l'oriente vers ce monsieur-là, ils vont se dire que nous sommes une ONG et ils attendent quelque chose de nous. Donc vraiment, c'est ce problème-là qu'on a. On aimerait vraiment que les gens comprennent que la plateforme n'est pas un projet, ce n'est pas une, une, organisation non gouvernementale. On est là pour les services de la commune. Donc, tout ce qu'on fait, on fait ça de manière libérale et on n'attend rien des personnes. Donc, nous, nous allons tout simplement accompagner les jeunes pour qu'ils puissent s'insérer professionnellement éviter ces problèmes de chômage-là qui mènent notre société, et surtout avec ce contexte dans lequel nous sommes de l'insécurité, occuper les jeunes et ne pas les laisser les se distraire à des, euh, à des idées vraiment farfelues. Donc vraiment, c'est ça le, but de la plateforme. Et nous avons vraiment besoin de, de l'accompagnement de tout le monde, des jeunes, des partenaires internes et externes, et aussi, euh, comment dirais-je, de la mairie. Elle aussi, elle nous a nous, nous, la remercions pour ça. Cette euh, initiative, elle est locale ou bien elle est, nationale Dans toutes les communes, je pense qu'il y a des plateformes. Nous, ici, au niveau des communes, on appelle les euh, des communes urbaines, c'est des plateformes qu'il y a. Mais dans les communes rurales, il y a des espaces orientation jeunesse. Donc, c'est vraiment à l'échelle nationale. Parce que c'est un dispositif autour, auparavant qui était sous la coupe donc, du ministère de l'enseignement professionnel il a été rétrocédé sous la coupe de la mairie. Et donc, partout là où il y a une commune, en principe, il y a une plateforme d'orientation des jeunes. Donc, c'est une initiative nationale. les, jeunes doivent prendre connaissance de ce dispositif là pour venir vraiment exprimer leurs besoins en association professionnelle. Voilà, chers auditeurs, euh, on prend une petite pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là la rubrique Entretien du jour. Il est 11h passé de 17 minutes à présent. C'est l'heure pour nous de suivre le conseil diététique dans ce mois béni de Ramadan il est nécessaire d'avoir quelques recommandations des spécialistes de la santé, n'est-ce pas, Salamatou Bien sûr, pour un son gène, il est recommandé de prendre une boisson chaude pour une bonne digestion en lieu et place d'une boisson fraîche. Selon le nutritionniste Mohamed Harakoy, la boisson fraîche pourrait causer quelques désagréments. On l'écoute au micro de Rukayeto Abdraman. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'après euh, plusieurs heures de, jeûne actif, le tube digestif se retrouve euh, pratiquement au repos. Pour le réveiller, il est fortement conseillé de rompre euh, le jeûne avec pratiquement une boisson chaude, et en ce sens que la boisson chaude aura beaucoup plus tendance à réveiller le tube digestif et à préparer progressivement tous les processus entrant dans la digestion notamment la sécrétion des enzymes digestives. La bonne euh, sécrétion des enzymes digestives euh, entraînera euh, une meilleure absorption des nutriments et surtout une détoxification active de l'organisme à travers notamment les phénomènes de diurèse et de transpiration. En ce sens que les boissons chaudes auront plus tendance à, protéger l'organisme et à favoriser davantage une meilleure digestion. Par contre, euh, la consommation euh, des boissons euh, fraîches euh, aura beaucoup plus tendance, d'une part, à, ralentir le réveil du, du tube digestif à travers la sécrétion des enzymes digestives, et ce qui pourrait éventuellement avoir pour conséquence l'apparition des troubles digestifs, notamment les ulcères gastriques. Euh, les ballonnements, la constipation, mais également euh, euh, l'apparition des, intoxications alimentaires. Car bon, les, boissons fraîches ont en tout cas un fort potentiel de germes bactériens. Et d'autre part, la température du, du tube digestif étant à 37 degrés Celsius, le fait de consommer une boisson froide forcera euh, en tout cas ce dernier à fournir beaucoup plus d'énergie euh, pour réguler cette température. Donc ce qui aura euh, pratiquement pour conséquence d'engendrer une fatigue physique aussitôt après la consommation de la boisson froide. Et au-delà de provoquer les troubles digestifs, la fatigue, elle bloque également le phénomène de détoxification avec pour conséquence la prolifération des maladies cardiovasculaires euh, rénal, rénale, euh, l'obésité, le diabète euh, ou pire encore le cancer. Voilà, chers auditeurs, c'était Mohamed Harakoy, nutritionniste au micro de Rukayetou Abdraman. Le Niger sur Kalangou se poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire et comme nous sommes jeudi, nous allons parler d'éducation numérique. Exactement, et aujourd'hui notre sujet c'est l'empreinte numérique. Qu'est-ce que c'est qu'une empreinte numérique Élément de réponse dans ce, dans ces reportage de Rukayetou Abdraman et Samira Rouafi avec Farid Bourema. Une empreinte numérique euh, est aussi appelée empreinte numérique ou empreinte électronique, ce qui désigne les données que vous laissez derrière vous quand vous utilisez Internet. Ces données comprennent les sites web qu'on visite, les emails qu'on envoie et les informations que vous soumettez en ligne. Il faut savoir que dès lors que vous utilisez Internet, vous laissez derrière vous des informations qui forment ce que l'on appelle une empreinte numérique. Cette empreinte peut se développer de plusieurs manières en postant sur les réseaux sociaux, en s'inscrivant à une newsletter, en laissant un avis, c'est-à-dire un commentaire en ligne, ou en faisant des achats Internet. Parfois, on ne se rend même pas compte que l'on contribue à la croissance de notre empreinte numérique. Par exemple, des sites web peuvent suivre notre activité en installant ce qu'on appelle des cookies sur votre appareil et des applications peuvent récolter vos données sans que vous ne le sachiez. Une fois que vous avez autorisé une organisation à accéder à vos informations, elle peut vendre ou partager ces données à des tiers. Pire, vos informations personnelles peuvent être compromises en cas de violation des données. Vous entendrez souvent que l'empreinte numérique peut être qualifiée soit d'active ou de passive. Et qu'est-ce qu'une empreinte numérique active Justement, tout une empreinte numérique est active quand l'utilisateur partage délibérément des informations sur lui en postant sur les réseaux sociaux ou sur des forums en ligne. Si un utilisateur est connecté à un site web par exemple, via un nom d'utilisateur ou un profil enregistré, toutes ces publications feront partie de son empreinte active. Et l'empreinte euh, passive est créée quand les informations sur l'utilisateur sont collectées sans qu'il n'ait donné son aval. Cela se produit par exemple lorsque les sites web recueillent des informations sur le nombre de sites web que vous utilisez, votre localisation, et votre adresse euh, IP, Internet Protocol. Il s'agit d'un processus invisible dont l'utilisateur n'a pas forcément connaissance des empreintes passives sont générées par exemple quand des réseaux sociaux et des annonceurs utilisent euh, les likes qu'on attribue à des pubs sous des publications, des partages ou des commentaires en dessous des posts pour créer un profil de vous et vous ciblé avec du contenu personnalisé. Je pense que certains d'entre vous ont vu des contenus qui ont été... Alors, Farid, pourquoi les empreintes numériques sont-elles importantes Samira, les empreintes numériques sont importantes car elles sont relativement permanentes, donc à vie. Une fois que vous les rendez publiques ou même semi-publiques, comme cela peut être le cas avec des publications sur Facebook, leur propriétaire a peu de contrôle sur la façon dont les autres vont les utiliser des employeurs peuvent vérifier l'empreinte numérique de leurs employés potentiels, notamment sur les réseaux sociaux, pour décider de les embaucher ou non. Les écoles et les universités peuvent aussi faire la même chose avec les étudiants qui postulent chez elles. Les cybercriminels, on insiste sur ça, peuvent exploiter votre empreinte numérique à des fins de phishing pour pouvoir accéder à votre compte ou usurper votre identité sur la base de vos données que vous laissez sur les réseaux. Si je comprends bien, Farid, le fait que j'achète des articles sur Internet, remplir des, je remplis des formulaires, euh, publier des photos sur les réseaux sociaux signifie que je laisse des empreintes. Oui, c'est cela, que tu laisses énormément d'empreintes. Mais Farid, avec tout ceci, comment alors protéger euh, notre empreinte numérique Comme les employeurs euh, ou toute autre personne qui s'intéresse à vous, il est tenté d'aller jeter un coup d'œil sur le net pour trouver quelles sont les empreintes que vous avez laissées sur euh, Internet. Donc voici quelques conseils que je vais vous donner afin de vous protéger. Mm-hmm. N'utilisez pas Facebook comme un moyen de connexion. Il arrive que vous partez sur un site, on vous soumet un formulaire. Voulez-vous vous connecter avec un nom d'utilisateur ou utiliser votre compte euh, Facebook C'est de cela qu'il s'agit ici. Si vous utilisez votre compte Facebook pour euh, créer un compte sur un site tiers, ils auront accès directement à vos données personnelles. Ils peuvent extraire euh, ces données sans votre autorisation. Il y a le VPN, euh, un réseau virtuel que vous pouvez utiliser. Donc, euh, je vais m'arrêter là. Je dois préserver mon <laughs> empreinte vocale <laughs> pour d'autres <laughs> rubriques d'éducation numérique. C'était l'entretien avec Farid Boureima accordé à Rukayeto Abdraman et Samira Rouafi. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous en faites pas, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission sur notre site web www Maintenant, c'est l'heure de faire un tour en région. Direction d'IFA pour brosser sur un fait divers. Des individus qui seraient dotés de pouvoirs mystiques volent les parties intimes des, personnes après salutation ou autre contact physique. Cela est arrivé dans quelques quartiers et des cas de lynchage ont été rapportés. Compte rendu de notre correspondant Difa, Guidi Abdraman qui est allé à la rencontre de victimes. Voici son reportage. Ah ouais. ran talata jiya sati aka min shi ina tsaye ne a kofa abin ya same ni bai min magana ba ban mishi magana ba kawai sai na ji jiki na kamar kuran sai na sa ihu yake neman guduwa bai samu Allah bai bashi nasarar gudu ba da aka tare shi aka bige shi to da aka bige shi ne sai ya ce ya sake ni a lokacin da ya sake ni sai na koma gida lega suka kama suka bashi kashi a suka kashe shi ana ja ne kamar kuran ne ina din na bayya mu eh, irin shi ya canza ya zama jajjawar so da ya zama jajjawar in nan ne da na haka kahuwa na kamar kurin jayuwa yake jayuwa yake kawai na sa ihu ne kuma na bi shi amma jikin na gaskiya ban taba shi ba a lokacin na ji ba don na tsorata ban tsaya na kula da jikin na ba kawai bin shi ne da aka bige shi kai na ya fara hajijiya sai na ji kahuwa na suna wariya shine kawai akai matashi ne ba babba ne matashi ne wallahi ban taɓa ganin shi ba ma ba Suna na maryam ne to ni dai muna tafiya kasuwa ni da wata mata da muke tafiya sai muke hiran abun akan Allah rufe asiri Allah kiyaye wani abun yayi yawa a gari shikenan sai ga mutum ya zo yana wucewa sai zai shafe ta sai ita sai ta samu ta gauce na ta gauce shikenan sai ce mana sannun mu sai na ce a'a sai ta ce yawa sai na ce yawa na ce kai na ce zamanin yanzu nan ba yadda fa kawai daga kallon mutum sai ce mana sannu ni kan ban yadda na wannan mutum ba kamar azzalimi ne sai ta ce mana ya aka kika sani na ce kai ni jikina fa bai bani ba sai na mishi kallo ya kai shi da ma in juya ba ina kallon shi ina kallon shi na ce na mutum ni fa ban yadda da shi ba mun tafi kenan bai wuce minti biyar zuwa shida gadon nan ba kawai sai na ji jijiyoyin kafa na daga zuwa cinya na na ji ya ja daya sai na ce mata jijiyoyi na fa yana janyewa fa sai na ƙara ji an ja guda daya sai na ce mata shikenan fa ya janye min gaba na ta ce ya aka ya janye na ce ya, gashi alamu duk inda aka yi wannan mutumin shi ne a bi shi a tare shi shikenan sai na juya baya ina gudu ina ce a kama shi a kama shi sai na ji abin wuf kuma ya saki jikina ya dawo na ce alhamdulillah na ce abin ya dawo fa ce sont là des femmes qui ont été victimes des personnes qui seraient doté des pouvoirs pour dérober les parties intimes des autres. C'est arrivé dans la ville de Difa où des individus profitent des salutations ou par un simple contact physique. Cette affaire a suscité l'inquiétude de nombreuses personnes dans la ville, surtout dans les lieux publics comme le marché, cérémonies, réunions, etc. Les présumés auteurs ont été lynchés et les femmes victimes ont trouvé réparation. Néanmoins, le chef de canton de la Komadougou, Mamadou Abakari, appelle la population de ne pas se faire justice. Vraiment, je demande à tout un chacun, quand il se voit dans cette situation, de se calmer et de faire recours à l'autorité compétente, surtout à la chefferie traditionnelle. Dans nos cours, nous arrivons quand même à gérer ce genre de choses vous voyez dans quelle euh, situation nous sommes dans la région de Bifa. Et si maintenant on vient, on colle encore cette affaire de disparition de je ne sais pas de quoi. Donc je demande à tout un chacun de se maîtriser et que tout son entourage doit être euh, calme, de ne pas se rendre justice soi-même, pour toujours se référer à l'autorité compétente, surtout à la tradition. Nous avons nos traditions, nos mœurs, les Les autorités coutumières de la ville ont très vite réagi et ont pris des dispositions. Mais c'est Madou Mustafa, le représentant du chef des quartiers de Difa. akan eh, wannan matsaloli nan na kwanakin nan da ya faru ana cewa an dauke-dauke jikin mutum da sauransu muka ce wannan to abu ya kamari inda kullum saya sai gidan sarki biyar uku an ce an dauka mace kaza an dauka menene kaza muka ce to abun kuma har da bugu da har shi akwai a ciki muka ce to wannan abu sai mun yi nazari mu zo mu ga sarki ya ne za mu yi mu shawo kan wannan abu wannan harka ba mu cewa akwai ba mu cewa babu tunda abun ba mu tabbatar dai abun ya nuna kamar akwai kuma ba mu cewa babu shi harkan duniya wannan bai rasawa iri wannan abubuwan nan ko da cikin goma takwas duka kariya ne biyu zai zama ta gaskiya shi dai abu dai an ce mutane suka ce akwai muka ce sai a sa kurani mai kuranin nan ya kamata ko ke kin sani ke zaki ko wanda zai yi kin sani ko kai kai ne za kai ko wanda zai yi ka sani muka ce in baka far garin gaba Allah sa kurani mutum ya ganshi inda zargi ne za yi ma mutum don wani abu a tsakanin ku akwai in zargi ne kai ma mutum akan kurani shine matakin nan da mu muna iya da tare da mai martaba sarkin À présent, la communauté attend de voir si cette mesure sera efficace. En attendant, chacun garde ses distances. Merci Guidi Abdraman pour ce reportage depuis DIFA. Un coucou à tous nos auditeurs qui sont câblés actuellement de l'autre côté de DIFA. À présent, c'est nos places au sport avec notre chroniqueur du jour. Bonjour Gourouza. Bonjour euh, Salamatou, bonjour Senou. Bonjour euh, Gourouza. La FENIFOOT a organisé du 5 au 10 mars 2024 le championnat euh, de la catégorie I-17. Oui, nom, c'est pour détecter des jeunes talents afin de développer le football nigérien. Selon le président de la commission du développement du football à la Fédération nigérienne de football, Isaka Adamou, l'esprit de cette compétition, c'est d'avoir un tournoi au niveau des jeunes de toutes les catégories, détecter des, des talents dans toutes les régions du pays. Actuellement, la finale de cette compétition n'a pas été jugé, joué. Il faut noter qu'il il faut dans les congés de Pâques. Notons qu'au mois de mai prochain, les jeunes seront au Ghana pour un tournoi de l'UFOAP et pour un tournoi qualificatif de la Cannes dans cette catégorie. Il permettra de valider le championnat des jeunes. Une première présélection d'abord au niveau de la région de Niamey qui a regroupé tous les centres de formation, toutes les euh, tous les centres de formation, de clubs et académies à l'issue de laquelle on a eu, euh, on aura, on a eu à sélectionner 98 joueurs. Gourouza, six combattants de judo séjournent depuis quelques jours à Accra pour les Jeux, pour les jeux africains du 8 au 23 mars 2024. Il s'agit de quatre hommes. scène Jibo, moins de 60 kilos. scène Ismaël, moins de 106 kilos. Moussa Hinsa, moins de 113 kg et Boubacar Abdelkader, moins de 81 kg. Les deux dames sont Raylatou Rabilatou Amaman Ali, moins de 57 kg et Rahina Amoudi Moumouni, moins de 63 kg. Déjà, il faut noter, euh, sinon, un de nos ambassadeurs, Boubacar Abdelkader, de moins de 81 kg, a décroché hier la médaille de bronze. Les combattants nigériens tenteront euh, d'ailleurs euh, d'avoir autant de médailles pour une ouverture aux autres compétitions internationales. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci Gourouza pour toutes ces informations sportives. Après la fermeture de cette page sportive, euh, passons au portrait. C'est qui la star du jour Dans la partie portrait, nous allons à Birningaure à la rencontre de Elhaj Munkaila Umoru. C'est un autodidacte. Il exerce dans le domaine de la menuiserie métallique. Hawa l'a rencontré. Voici son portrait. El Haj Moukele Oumarou est un autodidacte. Il exerce dans le domaine de la menuiserie métallique depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, il est responsable de sa propre entreprise à Birningaouri. Pour le faire, a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de banda kalin kuna da gogote a iri gogote giriaz zeng kan goy da wani sand ba ne bini kwaro a 90 ka sun bankan goy do bisibor zongo yinka

ay kulkande sudir igite goyakine ay gate za 1995 ingono aywo ay go kayludo zama yo da manki a fondora ay sibe hal wo kala kala no imman kati mamman ay gonda magari gine se katanga irme gida kati kaylu kino nir forme la ay goy kirgite wo agaba irgite porto yan irgite torka yan irgite torku kumbu yan o kiga farda ay fonga ya dai no alhamdulillah zama La principale contrainte pour l'évolution de ce métier est que les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas travailler. Ils préfèrent la facilité, à déclaré Munkel Umaru. toutefois il lance un appel aux personnes compétentes pour soutenir les jeunes dans la formation pour lutter contre le chômage voilà, chers auditeurs, c'était le reportage de Hawa Garba rendu au studio par Zainabou Abdou. Chers auditeurs, on vous revient juste après la pause. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, à présent, il est temps de prendre soin de nous avec la rubrique rose. Eh oui, amis auditrices et auditeurs, si vous venez euh, de nous prendre en cours, vous écoutez l'émission Le Niger sur Kalangou et c'est l'heure de la rubrique rose jusqu'au bout des ongles. Aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, nos chroniqueuses nous donnent une recette pour, préparer le gourji. C'est une variété de concombre souvent consommée en salade. Écoutons Rabi Meikano et Rukayoto Abdraman. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la cuisine, la mode et la culture, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagés par nos chroniqueuses. C'est tellement cool de vous retrouver dans cet espace parfumé, chic et délicieux du studio Kalangu. Et en parlant de délices, c'est la saison du gourji, cette variété de concombre que nous retrouvons un peu partout chez les détaillants, au marché. Ce qui particularise cette variété qui est plutôt des champs des autres de forme allongée, d'un vert foncé, des jardins que nous retrouvons presque tout le temps chez les légumiers et que la peau du gourgi est plus claire avec des rayures vert foncé. Sa chair est beaucoup plus ferme que celle du concombre classique et perso, je la trouve plus goûteuse. La première étape pour une bonne salade de gourgi, c'est le choix de ces derniers. Au marché ou dans la circulation, on peut juste demander aux vendeurs de nous les emballer après l'achat. Pourtant, on doit prendre le temps de bien les sélectionner. Cherchez les plus jeunes et par ronde. Elles ont moins de grains, ont plus de goût et sont faciles à éplucher. Après les avoir bien nettoyées, découpez-les en dés et faites la même chose avec votre oignon, tomate, poivron et mettez de côté. Pour la vinaigrette qui accompagne votre salade de gourgis, vous avez deux options. Celle à la pâte d'arachide, la plus connue, et celle à la mayonnaise. Allons pour la première. Vous aurez besoin de pâte d'arachide pour la quantité, c'est vraiment à votre goût. Vous pouvez également ajouter des tourteaux d'arachide moulu, de l'huile. Perso, je préfère celle d'arachide pour cette salade. Un peu d'ail, le jus d'un demi-citron, du sel et un cube magique. Mélangez le tout dans une tasse, incorporez le mélange à vos légumes découpés. Faites plaisir aux petits et grands avec cette salade, je vous promets que vous ne retrouverez pas une miette dans l'assiette. Bonne dégustation, passons à présent aux astuces beauté de Rookie. Bonsoir les filles, aujourd'hui nous allons continuer à découvrir ensemble d'autres recettes de masques fait maison pour le bien de votre peau. Pour le masque numéro 1, c'est un masque anti-point noir à base de curcuma et de miel. Pour les grains de peau irréguliers ponctué par ces petites taches sombres surnoises et désobligeantes appelées points noirs. Vous aurez besoin d'une cuillère à café de curcuma, une cuillère à soupe de lait, une cuillère à café de miel. Pour la recette, vous aurez besoin de mélanger le miel et le curcuma dans un bol à l'aide d'une fourchette ou d'un petit fouet. Ajoutez petit à petit le lait pour rendre le mélange plus liquide. Appliquez-le sur le visage en évitant les yeux et laissez poser 15 minutes. Rincez à l'eau claire et tiède. Vos pores seront resserrés et vos points noirs un lointain souvenir. Masque numéro 2. C'est un masque bonne mine au miel et au citron. C'est pour les teints ternes et fatigués qui manquent de sommeil. Pour les ingrédients, vous aurez besoin d'un blanc d'œuf, une cuillère à soupe de miel liquide, une cuillère à café de jus de citron. Pour la recette, battez le blanc d'œuf jusqu'à obtenir une petite mousse, pas à neige non plus, donc euh, moyennement. Ajoutez-y le miel et le citron puis mélangez. Appliquez sur le visage en évitant les yeux, rincez à l'eau claire et tiède et voilà, vous rayonnez comme si vous rentrez des Maldives. Ok, Merci Rookie. On se dit à la prochaine pour d'autres numéros de Rubric Rose. Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique rose, tout en espérant que vous avez pris une bonne note. C'est parti pour le loti. L'incivisme est le sujet abordé. Il n'est pas rare de voir certains citoyens poser des actes d'incivisme lors des manifestations. Roket Abdraman et Marem Adey nous en disent plus. Affairage, affairage, affairage, affairage. affairage. affairage. affairage. affairage. se passe ici Apparemment, c'est une manifestation. Viens, on va se mettre de côté, sinon on risquerait de prendre des pierres à la figure. <laughs> Viens par là, des AA. Mais tu as peur de quoi comme ça Calme-toi un peu. Me calmer tu ne vois pas qu'ils cassent tout sur leur passage Et si les machettes se perdent sur nous Des machettes même, tu exagères. De toute façon, tu as toujours été une peureuse. Je préfère être une peureuse dans ce genre de situation en tout cas. En plus, ils commettent des actes de vandalisme, de l'insuivisme pire et simple. Comment ça Qu'est-ce que tu veux dire par ce gros français Tu ne vois pas ce qu'ils font Casser les feux tricolores et autres panneaux de signalisation, dégrader le goudron avec ses pneus brûlés et les monuments saccagés. Ah, d'accord, c'est ça civisme Oui, tu vois, le civisme désigne le respect, l'attachement et le dévouement du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit, le respect de ses conventions et de ses lois. L'altération de ces espaces publics n'est pas un avantage pour nous tous. Mais pourquoi ils font ça alors Certainement par manque de civisme, de dévouement pour le bien de la nation. C'est tout simplement un non-respect des règles de vie et de la recherche de ses intérêts personnels. Ce n'est pas tout, hein. Le civisme, c'est aussi rappeler une partie de nos devoirs citoyens envers les édifices publics, les feux optiques, éviter les constructions anarchiques, des cassis sur les voies publiques, éviter de jeter les ordures dans les caniveaux, pour ne citer que cela. Mais elles doivent être punies dans ces cas. Il n'y a pas une loi contre ça Bon, je sais que le Code pénal de 2003 du Niger, en son article 389, dit que quiconque aura volontairement détruit ou renversé ou tenté de détruire ou de renverser des monuments, ponts, digues, voies publiques ou privées ou autres constructions qui ne lui appartiennent pas, sera puni d'un emprisonnement de 2 à moins de 10 ans et d'une amende de 10 000 à 5 000 francs CFA. Je ne suis pas juriste hein, pour rentrer dans les détails. Oui, oui, oui, tout ça, ils le font quand même. Peut-être ils ne savent rien de cette loi. En tout cas, s'ils se font prendre, ils vont comprendre. En attendant, nous, on va se chercher. Mais Biba, essaie au moins de leur parler comme tu connais un peu. Qui, moi Mais tu ne m'aimes pas, hein Qui va m'écouter ici Regarde comment ils ont l'air possédés. Progressons discrètement, c'est mieux pour nous. Et puis tu disais que c'est moi la peureuse. <laughs> Voilà, chers auditeurs, vous venez d'écouter le loti du jour offert par le desk femme du studio Kalangu. Découvrons à présent la recette culinaire. Le plat d'aujourd'hui est le dalé. Qu'est-ce que c'est tu vas le découvrir, sinon la cuisine nigérienne est diversifiée selon les communautés et les régions. Le dalai est un plat d'origine beriberi à base de mille. Hajia Hawa Idrissa nous présente le dalai au micro de Zainabou Abdou. dalai da hasi ne ake yin shi hasi wanda ba a surhuwa ba a zuba shi cikin ruwa ya yi sati guda a wanke shi a hudda shi a kai a nuka shi nukan markaɗe za yi mishi kamar irin da sinasan ake yin shi in an nuka shi an kawo sai a tase shi a hudda dusan kuma a sake tase shi tasiyan so uku ne za yi sannan a tai a riye shi a aje shi ya kwanta in ya kwanta sai in ya kwana sai a hudda ruwan sama kuma a aje shi a sake kuma ya jima kuma ruwa ya huta kuma a hudda ruwan sama so uku za a hudda ruwan na tukuna ruwa ya kare daga ya kare akwai in an tarda shi gari garin ma na saman bawan ne akwai bawa in an hudda bawan nan shi ma a shanya shi daban sannan na kasan na ya zaman da laye da ya zaman da laye shi ma a hudda shi a shanya shi a kosha za a ɗauka a ajiye shi guda guda guda guda sai inda ba iska ya bushe tukunna a murza shi kamar haka ya zaman da laye eh. to tuwon yanzu shi ne muke fara tuwo yanzu ina dama shi in na dama shi ko akwai salte-salte guda sai in tashe shi tukuna ga mun daura ruwa to in mun zuba shi muna toka shi tukuna ke da huwa ba a kara mishi wani gari da miyan kubewa danyen kubewa in babu danyen kubewa ko busheshen kubewa ma ana yin shi eh danyen kubewa da naman rago da halbasar kuma cikin miya muna sa wake to muna sa su kayan miya su yaji da mu da danyen mu duka muna sa cikin shi eh tuwon da lai mm. da wai in ko da yaushe ana yin shi ko sai dai akwai biki ko da wannan mai so kullum yana yi a gidan shi eh amma wane da wane ne yake yin da lai ko hasi kanta kilo an sa cikin ruwa bai wuce di kilo da yake huta <laughs> <laughs> yawa saboda shi ne wane da wane ne <laughs> haka ne duk da haka ma kamar abincin manya ne eh. <laughs> yanzu a cikin gidan sarki ana yi shi wallahi ana yin shi kuma kullum gidan sarki wannan akwai baki ba a rasan da lai kullum a gidan shi wasu manyan masu arziki ba su rasa da lai a gidansu to talaka dai sai dai wani sabka wani abu gaskiya kam abincin bare-bare ne in mutum an ce a gida shi an yi dalai wallahi za a taya mu a yi ne a gida zan a cin dalai <laughs> Voilà, chers auditeurs, après ce bon plat qui donne envie de le, de le goûter, poursuivons encore avec Oumu Oumoru qui est avec nous dans ce studio. Oumu, bonjour. Bonjour. Matagam. Hon kun moni gin tirse ifono moni kaga cebirse da kayon odo hara. to kuna kan ka mi hawan do albarka de ka studio kalango kan ga sina hinai hinai do hare den kuna ayman kan de kala haro koko a ware koko hayni koko me fulanci nay da dacin di aymte zarma cine mm, koko guda zona wala koko manti guda zona manti koko guda zona koko hayni hayni gura gurawono to irgo hanganni to ba dalla kettini be studio kalanguni har ko wata barke hano lewru sumayr duni min gaddana buyri ko gawri gawri dido kan woni hano gawri di hana chobba di hana chobbal di hana condi do donc ji en ni hano gawri hano gabbe mun kan sottete fa laaɓa de ni sottama fa laaɓi jonka e jomum wara lotani faade laaɓa lotol goldo jomum dene dene yidde no neɗɗo lotana hoore mum gam sukaɓe gaɗata neɗɗo hano golle lobbe noon ni ko woɗi kan won neɗɗo lotana hoore mum ko watta hano kaaƴo e koye tasiri ko won nder lota fa gawdin laaɓa nde gawdin laaɓi donc jonka tefa fayande ma deka nde ni a deki fayande ma gatta diyam ma ko heƴata an andi hano no dimma gawri ma wontiri nden ko jonka dani a deki gawridin dow hiite kuɓɓa hiite ma de ni charbon goɗɗa de gaz noon de ɗum ɗo leɗɗe noon walillahi alhamdu ko goɗɗa ni no waɗa beni allah waɗi a ah, daki diyam ma ko jon ko koƴa gawri ma de lottoɗa fa laaɓi ɗi ittiɗa kaaƴe ɗen he tasir din gatta gawri din ni a watti gawri din jon kay maɓɓa fayande ma de aɗa woodi yaji ma unaɗo feere no resi itta yaji on seɗɗa kal gatta yaji on do kan woni kitta kimba koronfol kamshi da aɗa woɗɗum una fa waɗa ceɗa desa nder boittegon feere itta seɗɗa kal bicca nder mum to maɓɓa a tawan ɗum fatam fatam fatam fa gawri jum fu fusa fusa nde ni fusi fa woɗi jonka a tawan ɗum fu ɗum fusi nde ɓendi a tabbitini ko ɗum ɓendi wakkati on ɗon jippina koma desa nde ni a jippini a resi wakkati on ɗon aɗa wawa tefi kosam ma nde kosan keccan non nde kosan lammuɗan noon ko noon fof ko goɗɗo aɗa wawi mum jonkay jara nde ni a waɗi ɗum ɗiɗum wodi hoyirna a ñallaɗa yara diyam ɗum do no hokketi han ɗum waɗa ɗum nanda hano degue na nanda hano ɗum ɗo en furkusuwal ɗum lattu hano furkusuwal kammin gaddani on balla umu ko ka kana wa kan famandir sai hayni ko kawo ni ima dan wa ima dan koran fama famandir mo sir ma mi hay kan ni go gane to madalla salamatu aini ha mi ha handu albarkan tawra gak sna kan studio kalan gugo kan de danga hine hine do hare danga ay man kan de kal koko hayni koko me man ti o karanga baydin hayni ko kadin man ti donu wone man ti hamni wone wone hayni koko wone wo danga hayni bumbu a wani zambo hayni zambo a wona kokano kano donc din duni hayno ni gan sosobu kan non kanse a buri din na sosobu ni ma nyum kan non kanse a buri diga du bor ma sino zan kai ma nyum ni se ma nyum ni bonse zama albiyen ma kante a goy gibi se zan ka goy ni ma sosoro ya dinga ma ceci gasu din gonda gasu ma sosoro kalka kalno kanse hayno ra ton diza bana bana din da labu labu di kul kan gara amma ma tabbatan di kan afatta da afatta wadin cinno ga kandin kusu hanno kansin da foi hau zam kusi zen gono foi kusi yan gono kandi man tini nyum ibon den te aga te foi hawya den gan simani ko kakani mace cin wa kusu wa kuso ni ma deke ni ma dan hari din dan hari kusora ni min hayno de kan nyum hanno kan se abori min hayno doru haywa harora agoga zarga de han kan gon se kud kan bonde de kul walillahi alhamdu l'essentiel de amanin ni ma mora zanna deke ni gondin yaji kan durna gisi woni en dumo magasi yaji fo yaji o kan dumo ni giceci ni giceci koronfol ni giceci kitta kogo da kamshi inganda matni gine kimba haita cho wono ni durni magisi a par ga kakai ni foni ma hagai ni kakai ni foni ma sai ni kusura ni ma dabu ni ga di ga zarga gaza ga zarga gaza ga zanga antirtan danga 2 minute 15 minute a zarga no kan sai abagu bugin bonse wadi kini ko ka bori ni gan zumandi ni ma bar ni kopu fora din tun hangaso da ceci ni ka hangaso ra ni ma dande wa no goni se de solani no goni se de wagan no goni se de le poudre no goni se de wa mor no goni se wogu kan ni dangara akano ni go fo din na han ni ga hanna ga hari hanno agini gunda di asindorandi voilà j'espère que vous avez pris note euh, salamatou on range les marmites et on quitte la cuisine pour euh, revenir au studio nous sommes avec Ali Ali pour parler du jeûne Actualité oblige. Bonjour Ali. Bonjour Seno. Bonjour Tonton Ali. Bonjour euh, Salamatou. Donc, comme vous voulez le dire, nous sommes pendant le mois de Ramadan. Donc euh, notre mot du jour, euh, c'est le mot ramadan. Ramadan a été expliqué en anglais, en français, en germain. Aujourd'hui, c'est le tour d'expliquer ça en fulfulde. Donc, dans fulfulde ni eden andi ko hannden lewru sumay tawaɗen sap e Leur lewru mars du enden hitan du ujuna ɗiɗi e lasso e nayyi sumayere lewru muɗum dari lewru ni fa hannden kay won lewru jena ɓuru limore lebbi alsilamagal lewru du nder laɗo Muhammad sallallahu wa sallam jippinana qur'an sumai no limte nder dangare joyi dina magal. lewru du darmu ni fa hande nyamata jarata seni da nage yani na biyan kumtari sumayere ni fa hande nde en daari ko nafa ɓandu dan ngam sumayere de enden ni no sembe sukkar eko nandi titta kaden duni fa hannde sumayerde nden no wallira har cellal ɓanndu ngam woɓɓe deni ɓalli mum en naati sanne ɗum torraɓe nde ɓe cuumake ɓalli maɓɓe jippoto dalila majjum waddi min ciriyani on hunde nde enden fuu kettinaniɓe habaruji studio kala ngu miɗen barkito on duke e ɗum fa hannde e lewru sumayere nde endan abdulmuni ko waɗi mo bo gaddumi filla ko boyri ko gawri gam barke sumayere nde no d'accord wadi sanne Merci Alignali pour euh, ces éclaircissements. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. À présent, écoutons les messages vocaux des auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Studio Kalangu, ça va parce que Aïgi Hangan de 18 ikane shi mu koin mu aigi madai ai mu gadi na igo aigi fahimi sai dai kai kai na ina sauraron shirye-shiryen ku na studio Kalangu kuma yana kawatar da ni wani lokaci da sahen na sai na sai na saurare shi haka nan Allah ya taimaka Allah kuma ya sa duka mu gane shirye-shiryen ku yana burge mu sosai saboda rediyo ne mai karatarwa mai fatakarwa kuma mai sa al'umma nishadi don haka muna muku fatan alheri da Allah ya ɗaukakar gidan rediyo na ya kara bunkasa shi a bara gaba ɗaya ma da Nijar ba gaba daya. Gaskiya alhamdulillah Allah dawa gashi Allah tabbatar da alheri Allah sa ya ci gaba. To yaya ne ka gani labarin mu? Labarin ku yayi daidai saboda Allah. Allah sa ya ci gaba abin kuma Allah tabbatar da alheri. Sunana Abdullahi eh saboda Allah muna farin ciki da gabatar shirye-shiryen naku na kalangu muna jin daɗin su kare suna kawatawa. Mun ji daɗi kwarai da abubuwan da kuke yi bisa kan tsarin ku na kalangu. alhamdulillah a gaskiya muna jin daɗi muna samun nishaɗi sosai muna saurare muna biye da su sau da ƙawa kowane lokaci alhamdulillah muna watan su ci gaba da kamun nishaɗi kamar yadda suke kuma su ƙara ƙaimi wajen kama abin da ya kamata Je me nomme Monsieur Touré Abdelaziz Zakou, directeur école Windé. Franchement, Studio Kalangu unifie les gens et ça les donne beaucoup d'informations par rapport à la situation du pays et comment vivre même socialement parce que c'est des choses que les gens sont en train de faire. Mais avec euh, Studio Kalangu, on arrive à toucher toutes les couches chacun doit savoir de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il va faire. Donc, euh, premièrement, je salue ma vieille maman, elle est à Niamey. Je salue mes frères et je n'oublie pas mes deux femmes à Balera. Aïno Moulay Moussa Kansigene Moulay Damal Mouinditan. Balera, Wallahi Estriyo Kolangu, Irgogo Makani Gumo. Zamir wo bon fiera ka Irgogo Douaga, Zati Dinge Eroto, Irsi Hangan Haikul Kade Dabian, Irgogo Makani, Gumu Gumu Manchikaina. Radio wo Kayen Kaka Sohon, Kade Bon Fiera Kirgudu Watukulu. Wodim Band banda irga fo zada ba wa kan dirse sera ne wa abanda kalangu goy tere ay gani fo ay bani ha fo choro kango arlit sale alu sabar mo sai kango goyo te matkan kina himar alai salisu wanda aka sani da alai salisu mai albasa batun abun ga studio kalangu gaskiya asuman eh, sai dai mai ubangiji Allah shi kara daukaka kuma da fatan alheri eh, ina sauraren su kai da kafa fi sabilillahi saboda duk abin da shi kaga kan matasa kan mi duka ina biyar da duk abubuwan da gudana suna fahimtar da mutane kuma kamar makaranta ce ma 'yan kaddiba game da harkar nan na studio kalangu saboda abubuwa diya wanda suka yi na tsare-tsare wanda ba yaro ba ba latizo ba duwar kake kana karuwa da shi to bisa wannan sai dai mun fatan jinjina da fatan ubangiji allah shi kara ma wa'anda suka yi wannan tsari eh, husaha na kara wannan shiri. Amina Galangu gaskiya alhamdulillah gaskiya muna jin daɗin shi Allah ba ya yi Allah ya taimaka gaskiya shirin yana ƙatarwa al'amuran ma gaba ɗaya suna birge ni gaskiya muna jin daɗi wallahi ƙarhe biyar zuwa ƙarhe bakwai na mari eh, alhamdulillah wallahi muna jin daɗi ƙwarai. Suna na Jan Kirdo. studio kalangu suna mini abin da nika so sun da kaga yanzu in an kai magana ko da turanci na in ban gane sai a maida da namu yaren shi kaga sai in gane kenan ni tunan sun gama min komi ni ina jin daɗi kai ni dai komi na su birge ni shi kai ko da yaushe dai ni in nisa ina jin daɗi har da in an sa kiɗan na ana studio kolongu ina gaisa ina gaisa shanuna ina gaisa uwayena Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Nous sommes à la fin du Niger sur Kalangou d'aujourd'hui. Vous étiez en compagnie de Salamatou Kadri et moi-même, Ali Munkela Ousseni, alias Seno. Et oui, chers auditeurs, on se prendra, Inch'Allah, le samedi et dimanche dans Tous à la Fada avec la chronique de la Fada. Et cette fois-ci, nous allons parler de l'intelligence, l'intelligence artificielle, son impact, son origine et aussi ses conséquences. Sur ce, Salamatou. À la technique, c'était Amina Hassan Granda, la grande dame Rayla Toussoumana, notre chef d'édition. Excellente journée à vous. Bye bye et bonne rupture.